Est-ce qu'on a beaucoup d'auteurs euh, nigériens qui, qui écrivent Bon, qui écrivent, c'est juste parce qu'il faut faire la nuance. Il y a ceux qui écrivent seulement en langue, qui ont fait des cours d'adultes, euh, qui, qui, qui, ont la, qui ont la volonté et l'amour d'écrire. Mm. On en a en tout cas au Niger. Mais il y a aussi des auteurs qui écrivent en français, donc qui écrivent des romans et, beaucoup d'autres euh, documents. Il y en a, assez. Hein, Et précisément en langue nationale, est-ce qu'ils sont nombreux Oui, en langue nationale, euh, vous savez aussi, il y avait un moment où vraiment euh, l'État, avec l'appui des ONG, a encouragé les auteurs à écrire en langue. Hmm. En ce moment, donc, l'État pensait avec euh, la loi de 98, la, 1er juin 98, pour l'orientation du système éducatif. Euh, L'État a encouragé beaucoup des auteurs à écrire en langue nationale parce que l'État pensait justement à généraliser l'enseignement bilingue. Mm. Et il y a eu beaucoup de titres. Seulement pour album pour enfants, on avait eu à peu près... 80 euh, à 90 titres. Mm. Et des romans, je dirais, il y a eu 20 fois 5 aussi, des romans, des, des contes, voilà, des, devinettes, euh, et des, histoires. Beaucoup de livres ont été écrits en ce moment-là. Je mm-hmm. parle des années 2000, 2004. Euh, mm-hmm. Il y a eu au moins 150 euh, titres dans ce sens-là. Mm-hmm. Bon, finalement, quand l'État avait avec l'appui du ministère, avait un peu cessé cet encouragement. Les, auteurs se sont fait un peu rares, mais quand même, Aujourd'hui, on peut dire qu'on a beaucoup de titres ici au Niger en langue nationale par rapport aux autres euh, pays que je connais dans la sous-région. Donc la situation, elle est satisfaisante, si on peut le dire. Elle est en nette évolution. Bon, euh, la situation par rapport à l'écrit, oui, nous avons des documents ici, nous avons des romans, des très bons romans. Hein, c'est si on les traduisait en français, ça allait être vraiment des best-sellers. Mais comme c'est en langue nationale et que euh, il n'y a pas cette volonté quand même des gens euh, de, de, lire en langue nationale, ce qui fait que je ne pourrais pas dire que c'est satisfaisant tout de suite, mais on a des livres et ce qui manque, c'est la diffusion, c'est de les déposer dans les librairies. Et quand on dépose dans les librairies, il faut qu'il y ait des lecteurs qui achètent. Donc c'est ça qui manque en fait. C'est pour ça que je ne peux pas m'exprimer en disant qu'on est satisfait. Ça reste encore à faire.